ces comités de vigilance-là, appelés couramment les Mbanga, c'est des comités qu'on a créés de 10 personnes de chaque village. Et ces comités-là sont structurés par le sultan de maladie qui est en même temps le chef de canton de Madonoufa, en collaboration avec les chefs de village. Vraiment, ils sont en train de lutter pour les petits vols-là, des animaux, des vivres parce que vous savez bien que la police et la garde ou la gendarmerie, ils ne peuvent pas couvrir tous les villages. En quoi contribue-t-il ce comité de vigilance dans la lutte contre peut-être le terrorisme ou bien les mouvements terroristes Bon, eux, leur force, quand ils détectent quelqu'un, si le gars est plus fort qu'eux, donc ils informent les autorités compétentes. Donc en ce temps-là, les autorités prennent leurs mesures parce que eux, on les a dit quand ils voient le gars est armé, ils n'ont qu'à faire très attention. Ils n'ont qu'à informer seulement soit le chef de canton, le maire, la police ou la gendarmerie. Si c'est des petits, voilà, si ce pas des touristes, là, ils peuvent prendre le gars conduire, sur le chef du village. Si le chef du village voit que c'est plus fort que lui, il va l'amener au chef de canton. Est-ce que les villageois font confiance à ce comité de vigilance Bon, et euh, en tout cas, ils ont le libre choix. Avant de les installer, on a appelé le chef du village avec les quelques membres du village. On les a dit d'aller choisir 10 personnes et des gens qu'ils ont confiance à eux. S'ils prennent des voleurs, donc ils leur ouvrent la porte, ils vont les voler et il n'y a personne qui va leur secourir. Donc ils ont fait leur choix. Ce n'est pas le sultan, ni le maire, ni le préfet. Il n'y a personne qui les a fait le choix ils ont choisi les 10 personnes là, entre eux là-bas. Donc s'ils ont pris des, bandits, là maintenant, ça fait le problème du village. Bon, les comités de vigilance là, en tout cas, ils sont en train d'aider, ils sont en train de dénoncer les petits voleurs, les vendeurs de la drogue. Ces comités de vigilance là, tout ce qu'ils voient qui va nuire à la population, en tout cas, ils vont signaler.